vraiment pour public pour voilà on sait qu'il y a une qualification au bout mais déjà on pense à faire un bon match on, essaie d'être très concentré parce que ça va être difficile. On a envie de faire plaisir à notre public parce qu'on sait qu'ils vont venir nous supporter donc il faut qu'on donne du spectacle et qu'à la fin on fasse tout pour gagner. On joue toujours pour gagner. le football, il faut jouer pour gagner donc on va jouer pour gagner les deux matchs. Maintenant, on sait qu'il faudra donner le maximum parce qu'il y aura une équipe en face qui aura envie aussi de faire euh, belle figure. Bah, tout simplement, comme d'habitude, hein, on, va, essayer de, jouer avec nos qualités, c'est-à-dire la percussion, les, milieux de terrain qui se projettent rapidement, faire circuler le, ballon rapidement aussi. Et voilà. Après, je pense qu'on va essayer de, dominer le match et, prendre les trois points. Les équipes africaines se ressemblent un peu, euh, c'est-à-dire on est fort physiquement et tactiquement aussi on est très bon c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir euh, n'importe comment, un petit peu bloc bas et je pense que nous on connaît nos adversaires parce qu'on les étudie euh, par rapport aux vidéos, on a vu les matchs qu'ils font et je pense que ça va aller. je pense que nous avons une ñu contre Soudan Nous dañoo tout pour gagner ko nga nous ne qualifier après nous, euh, bañ compliqué compliquer la tâche quoi. il mhm. nga a après il match yi formalité machine nekk mhm. waaw. possible joué deux blessés. Parce qu'il y a un ngi <laughs> de tout woo ñëpp ñëpp quoi donc fii ku fi coach bi yee 5 heures du matin ne ko dañuy da ngay jouer da ngay jouer sans problème. bon intégration bi naturellement le passé parce que dama ñëw fii gars yi yaatal ma c'est c'est comme si man équipe bi la mos quoi donc euh, vraiment groupe bi groupe bu baax la quoi groupe bu formidable. waaw moral moom baax moral moom baax na parce que instant bi euh, waaw équipe euh, dafa xiif victoire victoire la bu dañu bëgg a gagner donc di ñaan yàlla léegi yàlla yàlla may ñu ndam samedi.